notamment fële ci lycée Ibrahima Diouf lolu nak di satisfaction bu rëy ndax te luñu bëri gis moy jour rentrée bi bu amé ay établissement yu démarrer seen cours day fekk uniquement c'est dans le privé mais fi ci Kaolack tay fekk nañ dans le public ay enseignants yamanteni ni démarrer nañu seen jangale bi waaye lolu yëpp tam bu melee noonu mënuñu nekk lepp yemb na te nañu reconnaître que ni ay école yu bëri fi ci biir Kaolack ci ay xur lañ nekk té ci kaw loolu lu ñu constaté mooy ba légui tamit ndox mi dess na moo sapeur pompier c'est vrai depuis plus d'une dizaine de jours ñi ngi pompé waye ñëpp gis nañu ko biñu ñu pompé ak ñaari yoon taw taw na fi fii ci biir Kaolack ce qui fait que toujours dañu obligé dem di reprendre travail bobu luñu mëna wax rek moy ginaaw li nga mom la autorité administrative def ak autorité également académique yi li ñuy xaar également mooy ñi xamante ni ñoom ñoo ngànk collectivité territoriale ñu leen di wax maire ou bien président de conseil départemental ñu ngi leen di xaar véritablement ñu mun ñu accompagner bu baax a baax ngir lepp lu jëm ci borom war assainir cours d'établissement ñu le rapidement nous bu lolu lepp jëm ci scolaire également ñu dégager ni mu gëna ndax Nous neexul que fourniture nga mois de décembre janvier nga fourniture bu fourniture baax na lool du am effet bi de de avec le gouverneur de région, le préfet et les représentants du ministère de l'Éducation nationale, la traditionnelle tournée de visite des classes euh, à l'occasion de cette rentrée des classes. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que pour l'essentiel des établissements et écoles visités, les conditions sont réunies pour un démarrage effectif des cours. Au plan pratique, le nettoyage et la désinfection sont déjà faits ou en cours de lettres. Le désherbage également est en train d'être fait ou déjà fait. Au plan pratique toujours, au niveau des établissements, les établissements, les chefs d'établissement ont pris les mesures pour distribuer à temps les emplois du temps, distribuer le petit matériel aux professeurs et aux enseignants. Nous également, au plan pédagogique, nous avons pris toutes les mesures pour que la rentrée soit suivie, supervisée. Maintenant, ce qui reste, c'est de continuer à pousser pour davantage exhorter les élèves à venir massivement fréquenter les classes pour un démarrage effectif et massif des cours. Donc lancer surtout un appel aux parents d'élèves et à tous les, partenaires pour une mobilisation générale afin d'accompagner de manière beaucoup plus efficace le démarrage des cours, surtout à l'endroit des maires pour que les fournitures attendues en termes d'appui aux élèves, aux écoles soient déjà là mais également demander aux élèves de venir rapidement rejoindre leur classe parce que les cours ont démarré. ce n'est plus le temps de rester dans les navettes ou dans d'autres activités. Les vacances sont terminées. Mais aussi, enfin, demander aux parents d'élèves de chercher pour leurs enfants le petit matériel nécessaire au démarrage des cours par leurs enfants. Cette année, comme par le passé, depuis maintenant ça fait des années, nous demandons aux chefs d'établissement de ne pas exiger tout de suite et maintenant une quelconque inscription, un quelconque droit d'inscription pour l'acceptation pour de l'enfant en classe. Euh, l'enfant, quand il vient, on l'accepte, il fait cours et les inscriptions, on continue à les recouvrer jusqu'au mois de décembre, date à partir de laquelle maintenant le paiement de l'inscription devient une obligation, doit être obligatoire et effectif. Donc euh, nous sommes satisfaits. Et on ne fait que demander aux établissements de continuer à pousser et que si cela continue comme ça, je pense que d'ici une bonne dizaine de jours, les cours peuvent être effectués partout au niveau du territoire régional. Pour l'essentiel, les établissements sont dans les conditions pour démarrer les cours. Ça veut dire qu'il y a encore des établissements qui sont sous les eaux, il y a des établissements encore qui sont inondés par les herbes, par les hautes herbes, où les conditions ne sont pas totalement réunies pour un démarrage effectif des cours. Mais dans tous les cas, comme le signal est donné pour le démarrage des cours, donc on va toujours demander, pousser par derrière, demander au chef d'établissement, au directeur, de continuer le processus. C'est un processus. Continuer le processus pour que euh, les menus travaux, les menus qui restent, soient rapidement exécutés pour que partout, les établissements puissent reprendre les cours.